Euh, askan wi dañ fi perte ay heures yu bëree bëree bëri buñ fi bëggee jaar euh, moo tax euh, état wu Sénégal daal di xalaat ne faaw mu def ay autopont yoo xam ne dina yombal dem beeg dikk bi ci cadre boobu nag lañu ñëw pour daloo bi nga xam ne defar nañ ko liggéey bi jël na daanaka fukki weer ak juróom-ñeent waaye li ci ëpp solo rek mooy dinañu xool li am solo mooy dinañu taxaw seet lu saytu seetlu saytu ndax li tax ñi def autopont yi njëriñ boobu gis nañ ko dëggantaan wala fan lañ ci yem waaye tamit njëg gi naka lañu ko mën a xoolaatee xëy na ba gën koo mën a yaxanal yooyu yëpp nañ ko def ci cadre jubbanti euh, waaye am na yeneen cas yoo xam ne aussi parce que da ngay booy defar mbir tamit doo defar saafara bi jur jàngoro comme que am na ay riverains yo xamné ne signalé nañ ñu dafa am ay zone condamnée yo xamné bu tawé mën nañ am problème té lolu bokul xëy ci réseau ministère des infrastructures bi ñuy defar pont bi ndax défar nañu ouvrage yépp ak assainissement beeg yépp mais daf ci am zone yo xamné dafa concerner ONAS ministère de l'hydraulique mais c'est l'état du Sénégal de façon globale motax bind na sama natango pour wax ko lolu que suñu équipe dinañu dajaloo ñu waxtaan ci ñu def les raccordements qu'il faut trouver des solutions balaa beneen euh, nawet bi di ñëw su ko population yi nekk ci seen jàmm te du ñu am benn jafe-jafe. Euh, waaw euh, projet bi euh, comme niñ ñu koy waxee Sénégal du Dakar deug la Dakaru moom mo gëna a contact ay problème embouteillage motax c'est important tamit ñi def projet yi ni mel euh, projet bi programme c'est un programme spécial pour xam pont réaliser ci nga zone souvent période crue dañuy am problème comme fu de bi comme vous zone Bakel bi comme euh, euh, euh, sud bi ay entre autres d'ailleurs dans ce cadre même bientôt lancer pont nouveau pont de Ziguinchor entre autres donc il y a un programme spécial Pour xamante ne dina permettre à ce di dem ak dikk ndax gis ngeen zone yu bëri bu bu nawet bi ñëwee wala mu wala fleuve bi débordé ñoom dañuy d'autres dootuñu jote sax ci Sénégal ils sont coupés du reste du monde et ça c'est extrêmement important ñu liggéey ci un programme spécial pour xam permettre ouvrage yii nii ñu réaliser à l'intérieur du pays aussi et euh, nous sommes venus aujourd'hui inaugurer ce pont euh, qui a duré 19 mois au nom du président de la République et du Premier ministre. Et pour nous, ça participera à la mobilité urbaine au niveau de Dakar. Ce qui est important, c'est aujourd'hui de sensibiliser davantage les populations afin qu'ils puissent s'approprier de ce de cet ouvrage, de ouvrage qui participera euh, naturellement à la fluidité de la circulation au livre de Cependant, il est nécessaire aussi de procéder, en tout cas, à, mesurer nos actions, les actions du gouvernement. Ah, on a lancé un programme euh, d'autopont. Il est important de s'arrêter et de voir l'impact de ce programme-là pour voir effectivement s'ils sont en train de répondre euh, aux doléances des populations, à savoir une mobilité beaucoup plus fluide. Euh, on nous a signalé aussi quelques peut-être euh, soucis à avoir, à savoir tout ce qui est assainissement et autres. Je pense que l'ouvrage est venu avec un réseau d'assainissement. Maintenant, il est important de travailler avec le ministère de l'hydraulique pour les parties, en tout cas qui concernent l'ONAS, et pour nous, euh, ça va se faire très rapidement car les diligences sont en train d'être faites par les équipes et les populations seront soulagées, bien sûr, avant le prochain hivernage. Dans l'ensemble, euh, c'est un programme qui est là. Nous allons évaluer, mais aussi nous allons continuer euh, le programme de construction de ponts, surtout au niveau national, le Dandé-Mayo, au niveau du sud, entre autres vous le savez, avec les périodes de pluie, euh, nous nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes euh, de ce genre. Donc avoir des ouvrages sophistiqués euh, comme celui que nous sommes en train d'inaugurer peut, constituer en tout cas une solution pérenne pour les populations, surtout dans ces zones-là qui sont souvent victimes d'inondations. Cette infrastructure pourrait-elle le trafic à Dakar, notamment dans cette zone Moi, je pense que c'est fait à la suite d'études naturellement, les études ont montré qu'il fallait exécuter afin de pouvoir en tout cas, assurer une bonne circulation. Car l'État du Sénégal enregistre énormément de pertes en termes de finances et c'est dû principalement euh, à, la circulation qui est très dense au niveau de Dakar. Donc il est important en tant que, euh, en tant que ministère des infrastructures de trouver des solutions qui vont faciliter euh, la mobilité au niveau de Dakar. Il y a d'autres solutions parce qu'il faut quand même euh, euh, qu'il y ait une conjonction de, solutions afin de juguler cette question-là de la mobilité au niveau de Dakar. Nous avons maintenant au sein du ministère une, équipe qui s'occupe de la mobilité et de la circulation. Et ces équipes-là vont travailler sur l'évaluation de l'impact surtout de ces différents qui ont été érigés dans Dakar avant même de, procéder en tout cas Monsieur le ministre, parlant que ces obstacles qui sont envoyés par les connaissances, mhm. c'est ces mouvements-là qui est quand même dans le groupe, qui apprend chaque samedi pour marché mhm. de l'air. Quel mouvement ces commerçants n'envoient pas ces obstacles Donc je pense que ça c'est un problème d'ordre général. Euh, souvent les ouvrages ou en tout cas les, les réalisations de l'État sont souvent, souvent euh, envahis par les populations et parfois il y a des activités qui, qui y mènent et qui ne, qui, en qui ne répondent pas aux normes. Euh, nous avons demandé à nos équipes de travailler en tout cas avec euh, le ministère de l'Intérieur pour trouver des solutions, mettre en place des équipes qui vont s'occuper d'abord de l'entretien, mais surtout qui vont s'occuper de de l'ordre au niveau de ces ouvrages-là, parce que pour nous, c'est important. Vous avez vu au niveau du terre, c'est ce qui est Il y a une convention qui est signée avec la gendarmerie et tout se passe très bien. Au niveau du BRT, euh, c'est pareil. Euh, on a commencé à trouver des solutions, mais au début, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de problèmes, les charrettes par les vendeurs, etc. Nous allons faire la même chose pour les autoponts parce que ça ne sert à rien de, de construire des ouvrages, dépenser des milliards et après euh, se retrouver dans la même situation, à savoir des embouteillages juste parce que les ronds-points, les ruelles, entre autres, sont occupés par euh, des, commerçants ou entre autres d'autres qui mènent euh, d'autres types d'activités. Bon, à ce qui concerne le coût, je pense que c'est dans les 14 milliards. Euh, et il s'agit euh, d'un pont qui est réalisé avec plus de 2,1 km de, de, passerelle et sur 600 mètres aussi. Donc, ce qui veut dire que c'est un pont très important pour la mobilité. Et comme je dis, nous allons voir, c'est un programme global euh, qu'on a trouvé ici, que nous sommes en train de continuer, mais dans le cadre du Dubanti, comme on dit, nous allons en tout cas évaluer l'impact, le coût, entre autres, avant de procéder aux prochaines étapes. Oui, ça c'est déjà prévu par les équipes. Euh, évidemment, il y a un programme d'entretien de ces ouvrages-là et de ces routes de manière globale et ça va être suivi de manière très stricte. Oui, ごめんなさい。